Non, nerveux, non, pas du tout, parce qu'il y avait des moments, je pense que j'avais le sourire, j'étais tranquille, je rigolais. Et je que parfois, moi, je, réclame ce, qui m'est dû. Ça, c'est super certain. Je suis comme ça. Ça, mon. loolu moom leer moi, je ma je réclame a réclamer loo là, peut-être que j'accepte après moi, ma arbitre bi reprendre wax ak man wax ma ni voilà fii nii nii ma xam ne accepter moi, chaque fois que ça ça se passe très très très bien mais li ma xam ci sama aduna moy nit da ngay am humilité pour moi avancer et man dama am envie avancer donc euh, je garde mon humilité et je continue à avancer